alaikum, bonjour bonjour alaikum, wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi di il fait bientôt 23 ans, je pense euh, comme Ninko ko faral di il rek euh, le lundi 1er août 2022. tout d'abord di jaajëfal tout le peuple sénégalais di jaajëfal tous les sénégalais yi nga xam ne ni dem nañ démb voté ji pour que senegal yàlla def fi jàmm ak salaam waaw kon dañuy santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi bi mu ñu mayee tey ji ñu fekkee mu nekk euh, le lundi euh, premier août deux mille deux mille vingt-deux waaw. bëggoon rek waxtaan ak di di encourager ñenn ñi féliciter ñenn ñi di surtout di gëna dëgeerlu dëgërlu am yokk suñu pas-pas à côté de notre ami de notre frère le président de la République Macky Sall euh, ngeen tout d'abord aussi euh, may remercier di saluer tous les militants

li ma wax rek moy ñun ñëpp moy ñi nga dañu Sénégal ñi nga xamné l'émergence de bëgg émergence am ci réew mi ñi nga dañu bëgg Sénégal di leen ñaan ñëpp ngeen pas-pas ngeen yokk gën a yokk faire confiance à l'homme qui a décanté la situation effectivement de la famine bi waroon am à travers le monde ba tay yalla def gi leen yalla mo meuna a deug tay la premier bateau bi nga xamné ni Macky Sall dem na lijjanti won ko feulé sa Russie commencé génn pour ñu jëm a les problèmes de nit ñi am problème lek à travers le monde kon c'est une chose ki nga xamné ni dañ koy saluer ñak fété nak day xañ wërsëg kon encore une fois de plus chers amis ñu ngi leen ni ñaan ngeen gëna yok pass pas-pas bi ak ngëm-ngëm bi ak way bi accompagner l'homme qui s'appelle Macky Sall, le président de l'émergence du Sénégal. Macky Sall a fini de démontrer à la face du monde que dara yu ñoru ko lu Sénégal jàmmi Réumi, Natangé Sénégal tey les li am ci ay de prix gis à travers le monde États-Unis dund bi cher fofu que Sénégal France dund bi cher que Sénégal carburant bi emirat Arab uni ay Dubai la gëna chéré ke que Sénégal kon bu président Macky Sall jëlé ay téméri téméri milliards def ko pour yenn prix du baña yokku parce que bëgg jamm Sénégal kessal ak li nga xamné moy mooy réew deug la élection bu amé nak day bëri ay ñuy wax ay kat ay kat olof ñay nee yak mo gëna gaaw defar dañ nekk ci réew mo xamné ñu bëri comprendre ñu dara parce que nax leen dafa yomb tey jii lu mel ni blé aliment de bétail ñi nga xam ne mooy lekk xar yi wala lekk ginaar yi wala lekk yooyu boo leen seetee actuellement saag bi dafa cher lu waral mu cher mooy parce que tout simplement dañu nekk ci période bi nga xam ne ni il y a c'est une période d'inflation à travers le monde ku ñëw di leen naan bu ñu nekkee député mën nañu wàññi dënd bi dañuy waxuñu dëgg il ment et ils savent que ce pas vrai la véritable vérité dëgg Yalla moko mom et moi je suis là que pour dire la vérité aux Sénégalais j'ai pas besoin ngeen ngeen wax wax leen leen neex mais deug bi moy wallahi azim am ngeen kilifa gu tuddu Macky Sall def na li si Sénégal lo xamné ah mën na am kenen def ko dé, mais pour nit defati ko du yomb Tak fitam fulam faydam Tay di ndax yéen wa Sénégal xam ngeen ne waa Banque mondiale wa FMI ñi ngi nan Macky Sall subvention bi nga def nak électricité bi baña yok nak carburant bi baña yok nang ko dindi parce que ñep ño wara yam lol ci mettit bobu lolou mo waral Uganda Ghana Kenya Nigeria dekk yeb ñi ngi yëngatu ne dekk bi dund bi dafa metti Macky Sall kese dong à travers l'Afrique et le monde mo def subvention bi pour ngeen baña sonu yeen wa Sénégal Et quand le président de Macky Sall a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, du pour moi, mais pour yéen le au Sénégal pour yéen le pour nous am woon ndox am ndox pour yéen le yéen ñi am woon courant ngeen am courant pour yéen le pour ñi nga xam ni extrême pauvreté bourse de saleté solidarité familiale ngeen yokk ko Macky Sall pour loolu Macky Sall am am mais il est en train de se battre pour l'avenir du Sénégal sama gars yi sama waxu démb mooy sama waxu tey sëriñ Babacar sama sëriñ nee am ko taxamuloo ko ñàkku taxam ko moo gën te olof Njaay nee na lépp lu la fen may wallaahi dëgg dana la ko xañ fen day ko ci lu rëy mu jëwul ci lu tuuti dëgg day tàmbalikoo ci lu tuuti mu jëlu ko ci lu rëy et c'est différence entre président Macky Sall ak cette opposition que vous parlez yeew askan bi nax askan bi yow lañ ci ay fen ci ay sos sur des mensonges sur des calomnies sur des choses yo xamné c'est loin de la vérité loolu lañ leen gëmal pour gëlëmtu leen ils n'ont pas de projet ils n'ont pas de programme leur seul projet c'est la diffamation c'est la rencontre des contre-vérités c'est faire des fake news parce que fii Sénégal tollu fii jamono tollu yalla may leen wéy wa Sénégal président boo xam ne da ngay ñëw lépp lu nit ñi doon rêvé ay cinquante ans soixante ans ngeen am ko nga jël côté coupe d'Afrique côté côté sport rek laa wax ngeen am seet leen ci côté sport jëlal football bi ngeen am coupe d'Afrique joueur Sénégal yëpp ñàkk ay roi à travers le monde ay ñoom Sadio Mané ay keneen ak keneen tout dernièrement ngeen dem au niveau ngeen rafle tous les tous les enjeux aujourd'hui Macky Sall daf leen jig yéen waa Sénégal ñax ñi nga xam si ñooy def sport ak leneen Et c'est ça, effectivement, la baraka qui anime le président Macky Sall. En 2023, nous serons un pays producteur de gaz, de pétrole, de ressources minières. Macky Sall, effectivement, c'est cette chance-là. Je vous demande de préserver cette chance. Ce n'est pas fortuit que toi, maintenant, on ne change jamais une équipe qui gagne. Maintenant, quand on gagne dans la vérité, elle est très difficile de gagner, effectivement, d'essayer de convaincre les gens dans la vérité deug neexul absorbé deug kaani la kooku tuuf mu taxañu mais lima leni wax moy lenn quand vous avez la chance d'avoir un homme de cette envergure na ko japp bu baax chers amis sénégalais Macky Sall il a tout fait pour nous xol len ci cartographie Sénégal ni Séné ñi Macky Sall gën a ci sen dëkk ci seen gox ñoko wor billaahi wallahi tallahi ñi gën a nekkoon ci ay ndóol ndóol am ay problème mu ndox am ay problème courant am ay problème hôpital yu baax am ay problème bërëbu fajukaay yu baax fu ñu nekk lu baax Macky Sall fam fu gën a def ay milliards gën fa sonn tabaxaleen ay hôpital yu baax tabaxaleen ay infrastructure de dernière génération ñooñu ñoo ko war ci kaw lan méchanceté incohérence mais nag yàlla ne nag lépp lu la war may Billahi wallahi château de carte vous avez fait un choix mais je voudrais que le véritable choix que les gens devront porter nañ ko la personne qu'il faut au Sénégalais Macky Sall est une chance pour le Sénégal Macky Sall est une chance pour l'Afrique raison pour laquelle il y def la dit il est en train de débloquer une situation en pleine période de guerre pour que des millions de tonnes de blé entre autres puissent être effectivement sorties du port de d'Ukraine des ports d'Ukraine pour que nous ñi encore une fois de plus tout d'abord j'encourage mon ami et frère de la Médina Cheikh Ahmadou Bamba Fall de la Médina qui est le candidat du département Dakar Beno Bokk Yakar. Bamba a été très honnête très courageux très engagé ci li nga xam monsieur le président je ma lancer la je suis Papa Daouda le Dakarois républicain de 2008 2009 à aujourd'hui on est en train de vous supporter on n'attend rien de retour mais gum passe passe-passe serigne Babacar suñu serigne dafa am lu ñu jàngal góor day yor jiko ciment du japp di bàyyi. à ce sujet monsieur le président il est temps de se de vous débarrasser amna nit ñoo xam ne wallaahi amul na benn njëriñ ils ont créé beaucoup de frustrés à la Médina à Dakar entre autres. vous pensez que ce sont tes amis duñ say xarit amuñu Le benn njëriñ et ces gens-là ne sauront rien vous apporter monsieur le président il y a de ces gens ils ne méritent aucune considération pour nous mais ils sont dans la mouvance monsieur le président de la je suis très bien placé pour le dire je suis très bien placé pour le dire Bamba Fall quand il a pris sa responsabilité d'aller travailler avec Matissal, c'est pour le bien des Médinois. Il ne pouvait pas accepter qu'un projet d'envergure de 55 milliards pour changer le cadre de vie de la Médina mu de l'autre côté. il faut dire la vérité il faut que les gens soient informés la politique c'est une affaire aussi de contexte aller dans l'autre côté et aujourd'hui quand quelqu'un choisit le camp d'aller travailler avec Macky vous dites qu'effectivement c'est un trait. Mais vous êtes malhonnête. Macky Sall ànduma ak vous nga dem ba ni Macky Sall ma ak pour ci ma pour sama sama sama di dox ma ak Macky Sall ñu ne sommes transhumant nga nit ñi nga xam ne ñoo ci ndey dañ leen rey ay lañu ay li mais il faut cesser d'être des hypocrites vous les certains sénégalais. Il faut cesser d'être hypocrite. Monsieur le Président de la il nous faut un changement en profondeur. Il y a de ces faux leaders, il y a de ces dévots qui ne travaillent pas pour vous, tant au niveau de la Médina, tant au niveau de Dakar et tant au niveau du Sénégal. Je suis très bien placé pour, le savoir. Monsieur le Président de la mention, honorable à Monsieur Serine Bakendiaï. Serine Bakendiaï, nit ko yor jikko pusa la kat la man Pape dawda je ne fais pas du griotisme mais je dis les choses telles qu'elles sont Serigne Mbacké a joué un rôle extraordinaire lors effectivement de ces élections législatives et c'est de ça que le président de la République a besoin président de soxla ay nit ñu président de bëgg ay nit ñu am ce qui m'a fait le plus mal ce jour élection yi beaucoup de leaders yoo xam ne directeurs généraux, nañ ay directeur général ñii sont nañ ay ministre ñii nekk nañ ay député jàppale leen xale yi pour ñu dem voter ji ñëpp croiser les bras au nom de quoi la ma waxu dem mooy sa wax tey bàyyi leen folklore élection carte moo koy gagné carte électeur moo gagné au lieu d'aller le faire d'aller vers ces gens là ay sabarak, ay et c'est ça la vérité ay folklore du gagner élection Djel ay tal ay di c'est la mobilisation le jour du scrutin élection c'est avoir des cartes électeurs élection c'est avoir des gens conscients c'est avoir des gens qui nga que muy Aujourd'hui, aujourd'hui, je le dis et je le réitère, Monsieur le Président il faut aujourd'hui faire un coup de balai. Il y a de ces gens, ils ne méritent même pas votre confiance. Ce sont que des tricheurs. Vous ne méritez, vous n'avez pas mérité que ce cas de figure, même si aujourd'hui le Beno Boko Yakar a gagné, mais amna eu manquement, on devrait gagner plus largement. Vous pensez qu'à la Médina, il y a combien de gens qui ont voté Pourquoi aujourd'hui, lors des dernières élections, Bamba Fall avait 9000 voix. Bello Boko Yagan avait 8000 et quelques voix, entre autres. Aujourd'hui, on se trouve dans cette situation-là. Il faut que les tricheurs soient démasqués. Macky Sall bu lire le terrain jour l'élection, da ngeen watch sur le terrain Boye Merina est compliqué c'est le je parle avec un cri de cœur je ne peux pas accepter moi en tant que Dakarois. Quand Macky Sall préserve notre littoral, quand Macky Sall fait une digue de protection pour protéger effectivement la, baie de Koussoum, pour protéger effectivement certaines baies, nous sommes dëkk Dakar suñu yenn maam yi ñu suul abattoir qui gi di nangu génn wàllu nangu foofu yëpp génn wàllu almer bi yëpp Macky Sall ñëw di ñu defaral foofu lépp Macky Sall daf ñu jiite naa nga ñun waa Ndakaaru tey jii bu ñu toogee nous waa ñu croiser les bras que des traîtres, des manipulateurs, des menteurs, des violeurs, des assassins, entre autres, nous avons dañuy texte suñu loxo parce que nous avons jouer le vrai jeu élection carte moo def élection bàyyi Mumbai mumbaay Djerbi, tapale jeex bi De fiore dul monsieur le président c'est le mal. lay wax nii a xam en 2018 par rapport aux frustrés certaines personnes à dit. il est temps de se débarrasser de ces gens-là jamais au plus grand jamais nous la gagner le build parce qu'ils sont ingrats ils ne pensent qu'à eux Macky Sall a beau effectivement donner à tout à la Médina plus de ministres dans tous les contrats du Sénégal Macky Sall nous a donné ça à la Médina vous pensez que Macky Sall mérite de perdre à la Médina c'est là où effectivement ces gens effectivement n'ont pas répondu favorablement au nom de quoi Dieu n'aime pas les traîtres Dieu n'aime pas les traîtres et je vous demande d'être des honnêtes citoyens là où Abdoulaye Wade et son régime a échoué c'est là où Macky a réussi là où Mac Abdoulaye Wade a échoué avec son régime qu'est-ce que walou a fait Il y a fi usine bu un patrimoine de 100 milliards il y ko à 5 milliards de véritables voleurs y a un a récupéré effectivement Sonacos T'as dit mu un patrimoine national mais Fatia xaju fi qu'est-ce que Wallu n'a pas fait comme mal effectivement dans ce pays personne ne dit rien mais arrêtez d'être des hypocrites Vous avez un patrimoine de 17 milliards Vous avez 5 milliards en certain Bader c'est ce que le régime de Wallou a fait avec Abdoulaye Wade plus voleur que vous n'existe pas et c'est de ça que Macky Sall a sauvé les Sénégalais récupéré loolu joxaat ko Sénégal il y avait la Sotra, Nous avons def ko Dakar Dem qu'est-ce qui s'est passé avec tous les tous les malheurs que vous avez faits. Macky a récupéré Dakar Demdik aujourd'hui. Sauvé quoi, effectivement, de certains ouvrages. Aujourd'hui, par la force des choses, qu'est-ce qui s'est réellement passé On ne parle plus de Dakar Demdik, on te parle de Sénégal Demdik, avec une connexité du territoire extraordinaire. Tu as dans Dakar on a dem Touba def quatre heures cinq heures y heures temps yéen waa Touba yi Macky Sall dafa leen autour Ila Touba quatre et quelques milliards. Hôpital Touba, 300 et quelques milliards de dernière génération, entre autres, entre autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'Abdoulaye Wade a fait pour vous Absolument rien. De affaire détails qu'est-ce que le Wallo a fait pour vous absolument rien Vous êtes Mbàkke Il y a a tant aimé le Sénégal a tant sauvé effectivement les Sénégalais Prenez le cas de la diaspora. Ceux qui n'avaient pas des consuls au niveau de lettres entre nous, des consuls à l'UBS. Pour qu'on am un un yomb Qu'est-ce que Macky n'a pas fait pour la diaspora Je vous demande d'être intelligent. De ne pas porter des œillères comme, des, comme, comme effectivement des, des, chevaux. Je vous demande d'être intelligent. Demain, effectivement le Sénégal. Demain, effectivement le développement du Sénégal, l'émergence du Sénégal. Demain, ce qu'on appelle la stabilité du pays. La stabilité du pays est gérée par un homme qui s'appelle Macky avec des mains de fer. À l'heure où la France, les États-Unis, un peu partout, il y a des attentats ça et là. Heureusement, le Sénégal en est exempté. Parce qu'il y a un homme qui veille au chevaux de ces populations, aux cheveux de ces populations, avec une armée bien faite, bien structurée. Il faut arrêter. avec la complicité je vais vous dire chers amis y a ay télé Walfadjri ay TV des télé ne il ne raconte que des mensonges des malheurs des contre-vérités pour appuyer une certaine opposition Dans leen dégg TV ñu avons des réalisations que Macky est en train d'opérer en profondeur sur l'ensemble du territoire du Sénégal il n'y a pas une seule contrée une seule portion où Macky Sall n'a pas fait effectivement des réalisations structurante de dernière génération. C'est aujourd'hui un Dakaroua révolté. C'est aujourd'hui un Dakarois révolté contre des malhonnêtes, contre des dévots, contre des démons, contre des démons, contre des menteurs. Moi, jeune Dakarois, le moi j'ai déjà donné ma vie. J'ai tout donné pour le Sénégal et je compte de le faire à côté du président Macky Il n'est pas question une élection de telle envergure puisse avoir qu'un taux de participation de 45%. Si réellement, vous donnez deug kessé Macky Sall le na jour où l'élection l'élection se gagne le jour des élections, c'est notre tête de le dire. Vous devrez aller faire voter tous vos, militants. Vous n'avez pas fait du tapalet de tricher du faire, le président Macky Sall mérite mieux c'est aujourd'hui ce jour 1er août nous allons continuer de nous investir Watchat sur le terrain pour vous dire que la chance que vous les Sénégalais vous avez qui est d'avoir le président Macky Sall à votre côté vous l'avez en ñii nak fenn nañu leen waaye yeew askan bi yeew nañ len ci ay guuta ay fenn fenn nañ len ba ngeen fal fa ngeen ba ngeen jox len ay ay portion de une partie effectivement de certains députés lépp lu ñu len wax depuis du du premier jusqu'à maintenant ils ne font que vous vous mentir wallahi di len don fenn de len fenn ils ils savent qu'ils mentent nous savons qu'ils mentent eux ils savent même que li ñu leen wax mënu dara mënu ci nek dëgg la jamono dafa metti fi mu toll nii mais du Sénégal kese bépp réew boo dem ci àdduna fi ne dafa metti mais président qui ne bu un gafa subvention est-ce que vous savez que litre essence vous est-ce que vous nga 2000 francs? litre d'huile yéen francs est-ce que vous nga dit kilo francs ou 800 francs est-ce que vous yéen Sénégal Vous wax nañ personne ne vous a dit ça ils vous ont menti parce que Macky a tout supporté il reçoit pression du bruit les institutions financières ne ko dindi subvention bi nga carburant bi parce que il est concevable en France France carburant moo fa cher que Sénégal États-Unis pays producteur le pétrole moo gën cher les carburant que Sénégal Émirats arabes unis ay Arabes saoudite seen dëkk moo cher carburant que Sénégal pourquoi Sénégal dëkk yooyu gën ko cher le te dëkk yooyu dañu am carburant dañu am pétrole am gaz am nañ ko seen seen terroir pourquoi ngeen wax loolu waxuñu leen dëgg bi parce que Macky Sall dafa xam ni bu defulee li du baax ci yéen waa Sénégal mu ne dootuma sax yamati sax ci subventionné ma yokku salaire enseignant yi yokku salaire yenn fonctionnaires yi paramédicaux yi médicaux yi yokku salaire ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité ñu ba leen joxee cent milliards sa jar yokku salaire ñi nga xam ne ni mooy niveau de vie pouvoir d'achat yenn doomu adama yi dama ne ci histoire dama ne muy Sénégal Afrique de l'Ouest kan moo fi yokku salaire ay fonctionnaire seul Macky Sall seul Macky est la seule personne le seul président au monde à l'heure où il y a une inflation en 2022 à pouvoir supporter les prix Il ne il faut pas accepter d'être effectivement des moutons de Panurge Dieu nous a donné effectivement l'intelligence. Il faut que nous soyons des témoins de notre temps. Nous savons aduna bi nous doxé, nous savons bourse nous muy yégué, nous muy waccé. Quand le monde est dans une situation de guerre sur le volet géopolitique, force est de reconnaître il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des conséquences. ngeen teg fi bëgg nekk ay ngaaka wala nekk ay ngaaka ay ngaaka ñoo ñëw nax leen di leen jéem gëm loolu nekkuloon ah. parce qu'il passe tout le temps effectivement à vous mentir jamais moi, Pape Daouda genn genn jogu borom kay domou Ndakaaru du mukk nit ma nous continuons à nous battre billahi comme de vaillants lions borom xam tant que les lions n'auront pas d'historien l'histoire des lions sera écrite par les chasseurs et les chasseurs qui sont de Yewi Askanbi. ces chasseurs qui sont ces menteurs ces chasseurs qui sont effectivement des assassins, ces chasseurs qui sont des, des mafias, oh, qui ont eu à tuer des policiers, ces chasseurs qui sont que des démons et des dévots. Je vous demande, chers amis, un homme comme Macky Sall, beaucoup, beaucoup plus de respect, de considération. bien Le plus je ne peux plus accepter que dans mon pays le Sénégal qu'on puisse laisser des jeunes Nous les ñuy encore une fois de plus la jeunesse sénégalaise la jeunesse consciente un vous les étudiants qu'est-ce que Macky n'est pas en train de faire pour que vous soyez dans les conditions les meilleures un ticket restaurant yi daf des nouvelles villes universitaires pour que vous am Makissal a tout fait pour vous allez aujourd'hui à l'université Anta Diop la femme est ci jamono ak jamono il n'y a pas photo il n'y a pas photo Makissal est une personne qu'on ne doit pas trahir vous pensez que vous trahissez vous êtes en train de trahir effectivement vous-même vous êtes en train de vous trahir vous la jeunesse si aujourd'hui je suis en train de parler avec avec avec cette posture, parce que je ne dois pas accepter. Je ne le ferai jamais. Le président Macky Sall a très tôt compris, a très tôt compris que la jeunesse sénégalaise mérite d'être plus considérée. Programme Khayundoui, 3 FPT, la DER qui équipe, qui forme et qui finance la jeunesse sénégalaise et qui finance ce qu'on appelle effectivement les femmes sénégalaises en vue de sortir effectivement de problèmes effectivement de problèmes d'emploi. Personne n'en parle pourquoi. voyez bon programme Ils n'ont aucun programme. Billahi, wallahi, tallahi. Vous savez pourquoi ils n'ont aucun programme Parce qu'ils sont des menteurs. Billahi, wallahi, wallahi. Ils n'ont pas de projet. Ils sont loin d'avoir effectivement des projets. Et quand vous avez la chance d'avoir un homme, quand il nous parlait effectivement de Yonou Yokote, les gens disaient Ah, il Dafay, rêver. Quand des gens disaient effectivement, quand il nous parlait de programme Sénégal MS, les gens disaient que c'était pas, c'était pas possible. En disant, chers amis, le président de la République Macky Sall, ce qui témoigne de sa grandeur d'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Puis moi, Prodac Pacassène, Promoville promotion des villes religieuses projet des Dara modernes aujourd'hui il y a plus de combien de de de de de classes de classes de classes et d'écoles effectivement sont construites sur l'étendue du territoire sénégalais sénégalais du moins combien de villages électrifiés combien de villages électrifiés wallu bii ngeen yéen waa wallu ak Abdoulaye Wade bàyyee ngeen fi woon neuf millions à dix millions de sénégalais ñu naan ay naay ay naan ay ndoxu dex ay ndoxu marigot ay ndoxu teen tey jii foofu Macky Sall indi fa ay forage ay château d'eau ngeen yi naan ndox bu naroon loolu waroon def ngeen delloo njukkal président Macky Sall Macky Sall gor la gor na ku gore mooy xam luy gor mais ngeen topp effectivement de manteur qui ont échoué en 12 ans, qu'est-ce qu'ils nous, qu nous, ont vendu Yen way walu lay def ak Abdoulaye Wade la ngeen fi def Sénégal autour APS bi xamne ñew naxante nax ko Sénégal yi Macky Sall ñew négocier wat ko aéroport Blaise Diagne bo xamne ay milliards ngeen ñew joxé ko nit ñi dem ba ci mënul égali lek xaliss bi Macky Sall ñew tégat ci loxo ñew nangu wat ko il faut qu'on vous dise la vérité hein. les successions d'échec qu'Abdoulaye Wade a eu à faire dans ce pays parce que mag il a échoué le Sénégal il avait vendu le Sénégal Macky Sall mais vous ne le direz jamais vous pensez que vous waroon am sa benn carte Sénégal non parce qu'on ne dit rien parce que non non il faut cesser d'être des mano des malhonnêtes Karim Wad a volé notre argent et il va nous rembourser jusqu'à la dernière centime le projet rien que le plan Takal, Karim wad on 10 ans de prison c'est un voleur c'est plus qu'un voleur, moi, Pape Daoud je le dis, je le maintiens. Vous nous sonnons. Vous nous sonner Ça, c'est effectivement de, créer des, mensonges. Quand même. Vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus de programme. les seuls projets et programmes que vous avez, ce sont les mensonges. à, à plus en finir. Parce que les gens doivent, se croiser. Et aussi, ce qui me fait le plus mal, certains leaders de Benno Bokk Yakar. ñu ñàkk fayda lañu ñu nous fit lañu ñu ñàkk jom lañu de nous. faire. ku saaga sa baay da nga war a quand je vois certains ils ne défendent même pas le président Macky Sall ils sont là entre leurs bureaux. ils sont là entre effectivement entre de vivre le pittoresque le dépaysement pour être dans des vitres, climatisées, teintées, pour essayer de se faire. Ils sont rien du tout. Nous nous Ils Nous nous absolument rien. Macky Sall ce que nous on va plus laisser